bonjour c'est Amina Dieng waa tous sur la Ligue 1 Vous Facebook groupe numéro 1 sur le foot local Nous allons nous rendez-vous bientôt dans Faral ce foot L1 et L2 show une émission consacrée exclusivement au foot local Faral se foot L1 et L2 show diffusée sur 13 TV sur YouTube Faral se foot L1 et L2 show résultats classement invités dara dootu leen ump si foot local bi lépp fi lay xewee à